Nous considérons le thème la vertu de la miséricorde. La vertu de la miséricorde. Test. Matthieu chapitre 18 à partir du verset 23 à 35. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses, à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait dix mille talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa famille, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre se prosterna devant lui et lui dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. Et de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait sans deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant Paix ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant Aie patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, Méchant serviteur, je t'avais mis, t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi. Et son maître hérité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous le pardonne à son frère de tout son cœur. Le verset clé, c'est le verset 33, qui dit que ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi Je ne t'oublierai jamais et je ne te et je ne te pardonnerai jamais a dit John Wesley. À ce quoi Wesley a répondu Alors monsieur, j'espère que vous ne pécherez jamais. La déduction logique de cette discussion est que ceux qui refusent aux autres le pardon ou la miséricorde n'ont jamais droit à la même chose. C'est exactement le message que Christ a transmis aux méchants serviteurs dans le test d'aujourd'hui. Le passage d'aujourd'hui raconte l'histoire du serviteur impitoyable lorsqu'il a été amené devant son maître pour rendre compte d'une énorme somme d'argent qu'il lui devait. Il a demandé et obtenu le pardon. On s'attendait à ce qu'il fasse preuve de la même miséricorde à l'égard de l'homme qui lui devait peu. Mais il ne l'a pas fait. Déçu par cette attitude, son maître l'a jeté en prison jusqu'à ce qu'il ait réglé la totalité de sa tête. Ordonnement La miséricorde et la compassion devaient marquer l'humanité de l'homme. Malheureusement, tel n'est pas le cas. La miséricorde est absente du langage et du comportement de plusieurs hommes ou bien de plusieurs personnes dans nos sociétés, tout comme elles était dans l'état idéal postulé par le planton pour la société grecque. Les relations familiales étaient même sacrifiées sur l'autel de la loyauté envers l'État. Les Romains interprétaient la piété comme un signe de faiblesse. une maladie de l'âme. En Italie, les Siciliens, les, n'oublient jamais et ne pardonnent jamais. Pour la mafia italienne, la vengeance est un plat qui a meilleur goût lorsqu'il est servi froid l'époque de Christ, les Juifs avaient transformé le principe de justice réciproque qui stipulait œil pour œil et dent pour dent, selon Exode chapitre 21, le verset 23 à 27. En un instrument de vengeance, c'est ainsi que chaque et Jean ont demandé à Christ la permission de commander pour que le feu tombe du ciel sur les Samaritains qui ne permettaient pas à Christ de se rendre en Jérusalem en passant par leur territoire. En Luc chapitre 9, le verset 54. Mais cela est, au contraire, à l'injonction du Seigneur. Comment donner l'exemple de l'amour de Christ Si nous prions pour la destruction des mêmes personnes que nous devrions gagner à Christ. Ceux qui ont reçu la miséricorde de Dieu doivent faire preuve de compassion et d'amour pratique envers les autres. Que le Seigneur nous aide à prier pour tout, pour la repentance de nos ennemis, non pas pour la destruction ou même pour qu'ils meurent. Pensée du jour. Le refus de la miséricorde démontre l'absence de grâce. Le refus de la miséricorde démontre que nous avons la grâce de Dieu en nous. La Bible en un an. 1 Corinthiens chapitre 5 à au chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 5 au chapitre 7. Amen. Prions. Père céleste, nous te bénissons. Te glorifions encore pour cette parole. Nous prions, Seigneur, quand ta qui ta parole qui est venue, aide-nous, Seigneur, à marcher selon cette parole. Et donne la grâce, Seigneur, d'obéir à cette parole et de pardonner à tous nos offenses, tout ce qui nous ont offensés, Seigneur, que nous aussi, nous les pardonnons, afin que nos péchés aussi nous soient pardonnés. Donne la grâce de prier pour tous nos, euh, pour tous ennemis plutôt. Et Seigneur, savons qu'en prier pour eux, Seigneur, tu l'aimes ta parole, tu vas nous pardonner aussi nos offenses. Seigneur, merci quand nous savons que tu nous as exaucés. Au nom prêché de Jésus, nous avons prié. Amen. Man quotidien d'aujourd'hui, lundi